def une recherche Nous avons autour du Fesman est-ce que nous... avons les ministres de la culture fi est-ce que nous avons nga contre le pouvoir non. parce que c'est un mot de pression parce que c'est un moyen de pression <laughs> pression contre le. Le mooy non plus leen kat wala ñu agité mais si nous c'est un prétexte fallacieux si nous c'est pas le vrai prétexte. Mais bien sûr, oh quand même, c'est pour divertir. C'est pour divertir. pour un budget de 80 milliards de francs CFA, nous avons parce qu'il y a un truc de 400 millions. Tu l'as si on fait une enquête sérieuse, on serait coupable de comptable de fait. Qu'on soit sérieux. Moi, je pas parlé de, de, les 15 milliards de francs qui sont qui sont compte particulier. Et le Sénégal, je

Donc le fait ce qu'il va protéger Sinjili, de trahir également ça, ses paroles. Donc Mom, c'est le premier responsable, c'est le président de la République actuelle. C'est le premier responsable. Et qu'il doit amener ce dossier-là devant, devant, devant le juge. Et d'autres dossiers. Ça dire que je préfère toujours rester sur le principe pour voir les Sénégalais argument de ñu wax 400 millions bugguma c'est des arguments fallacieux je pèse mes mots encore une fois parce que encore une fois il y a des gens qui comptent autour de 15 milliards de francs CFA il n'est pas inquiété c'est un problème de fond je préfère ne pas le dire c'est un problème de fond non euh, bu loolu devant les dossiers qui sont sur la table du président Pégui, je ai cité tout à l'heure wax 5 il y la un am rapport yi est publier chaque année et ça le président public publié y ko mooy rapport 2016 bi mi ci taabalam na ko génnee na ko génnee moo euh, quand on parle du dessus du coude etc. tout est important mais il y a plus important tout est important que ko tout est important dossier coude tout est important je dis encore une fois mais je dis nous, de façon du point de politique nous ne après garantir ko liberté provisoire des problèmes ci mais donc y' a y' a y' a plus important il y' a les dossiers qui sont là je t'ai parlé des 495 euh, milliards de francs CFA achats irréguliers de carburant dans le Sénégal au niveau de appel chez le fournisseur appel je t'ai parlé également de plusieurs dossiers qui sont là donc il dañ ñun là. là. soxla ci a une bugue président de la République guinéenne.